bienvenue pour ce nouveau numéro de votre capsule le mercato sur 13 TV mbokk yi dal ak jàmm ci sen mercato sur 13 TV Ginaaw bañu xamlé ni jege na loolu rejoindre club bi di nekk ca Etihad Stadium ay weer a ngi nii la sax ay at ngir mu renforcer sen défense bi Kalidou Koulibaly ku moyal ni dewen dina football ci équipe bu Manchester City ci jamono ji nga xamné ñepp ñëpp ngi xaar Naples ak Manchester City dal di déggo ci njëgub joueur bi nga xamné ne war na jege 70 millions d'euros mom international. national sénégalais bi ci ay xibaar déggoon na ba noppi ak club citizens yi ci li nga xam ne mooy salaire am bu ñu sukkandikoo ci presse bu Algérie milieu terrain nationalité sénégalaise bi di daw di Isla Diomandé am 22 ans Mouloudia bu Alger recruté na ko ngir contrat bu ñetti at ginnaaw bumu mu ci club bi di CA Bourges bu Arerij diggam ak Alger toll ci 200 kilomètres fi nga xam ne football na jongante yépp saison bi weesu sénégalais bi nag bii mooy ñetteeli clubam ca Algérie bu ñu ci boolee e ci saison bu njëkk ba. léegi leer na ailier ivoirien bi di Max Alain Gradel signé na ak ki jëloon 4e ci championnat turc bi weesu mu di Sivasspor club boobee nga xam ne dina jouer Europa League ni ki at bi weesu moo joxe xibaar bi ci ab communiqué xamle ne joueur bi am 33 ans signé na fa ngir ñaari at yi ñu jëm. Prêté cette saison du côté du Bayern Munich par l'Inter, Ivan Perisic est arrivé en renfort en attaque en attendant la grosse recrue qu'est le roi Sané. Alors qu'il est en train de faire une bonne saison en Allemagne, Sky Italia avance que l'Inter pourrait compter sur lui en cas de retour dans l'effectif car le Croate a été prêté en Bavière avec une option d'achat. Le Bayern peut donc choisir de le conserver. Selon les informations de record, les représentants d'Edinson Cavani et de Benfica Lisbonne se seraient mis d'accord sur les bases d'un contrat. Il ne manquerait plus qu'à régler certains détails financiers d'après Rana Sensa pour que cette opération puisse aboutir. Un contrat de deux ou trois ans aurait été proposé à Cavani qui semblerait avoir accepté l'offre du club lisboète. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, journaliste de Sky Sport, Florian Thauvin refuserait de prolonger son contrat à l'OM. Le champion du monde verrait d'ailleurs d'un très bon œil un possible transfert à Atlanta à Bergame qui sort d'une belle saison. Le Martiniquais Emmanuel Rivière, 30 ans, pourrait retrouver le haut niveau en Serie A. Selon Tutto Sport, il prendrait la direction de la Sampdoria. Le club génois serait en pôle pour tenter de relancer l'attaquant français également courtisé par le promu Crotone et le relégué Lecce avec Cosenza, club qui s'est battu pour son maintien au deuxième échelon du football italien. Il s'est refait une santé en marquant 13 buts en 31 matchs cette saison. Chelsea affole les compteurs lors de ce mercato estival après avoir enrôlé Hakim Ziyech et Timo Werner. Les Blues ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. À la recherche d'un latéral gauche depuis plusieurs semaines, Frank Lampard avait érigé l'avenue de Ben Chilwell, 23 ans, en priorité estivale. Mais voilà, Leicester aurait fixé la barre à plus de 80 millions d'euros pour son défenseur anglais. Selon les informations du Times, les discussions entre les deux clubs se seraient accélérées ces dernières heures, à tel point que la publication britannique évoque un accord très proche entre toutes les parties. Après une saison aboutie en Serie A, Chris Smalling veut rester à Rome. Selon le Corriere dello Sport, le défenseur anglais serait d'accord pour rester dans la capitale transalpine sans négocier d'augmentation salariale et refuserait de signer dans un autre club. Liverpool et Thiago Alcantara ont trouvé un accord pour un contrat de 4 ans. Le milieu de terrain international espagnol a annoncé son départ en Angleterre à certains de ses coéquipiers du Bayern Munich. Le Brésilien d'origine a même choisi sa maison en Angleterre. Liverpool et le Bayern doivent finaliser l'opération. Régnier Jesus, 18 ans, devrait évoluer en Allemagne la saison prochaine. Le Real Madrid a trouvé un accord avec un cadre de Bundesliga pour un prêt et selon bon nombre de médias dont Marca, c'est bien au Borussia Dortmund qu'il devrait découvrir l'élite du football européen. Lui qui avait dû se contenter de quelques apparitions avec le Real Madrid Castilla en détroit espagnol depuis son arrivée. Les négociations entre les deux clubs sont très avancées et l'officialisation pourrait même se produire dans les prochaines heures. Auteur d'une très belle saison à Trabzonspor, 33 buts et 11 passes décisives en 49 matchs, toutes compétitions confondues. Alexander Sorlot ne devrait pas rester en Turquie bien longtemps. D'après le média norvégien TV2, les négociations entre Leipzig et le meilleur buteur de Super League avancent bien ñu jéxalé ak bonus sport Kevin De Bruyne mom la ñu euh, football footballkat bi gëna xarañ ci saison bi ci première ligue ñom wa première ligue sax ñoo joxé xibaar bi niki dimanche bi star sénégalaise bi di Sadio Mané def saison bu exceptionnel, ak 18 buts 7 passes décisives ci première ligue raté na un trophée individuel rendi saison bu exceptionnel la ci champions league ngir football français bi jamono ji nga xamné Paris Saint-Germain qualifié na niki mercredi bi ngir demi-finale Ligue des champions ginaaw ba mu daanee Atalanta Bergame 2-1 Olympique Olympique Lyonnais def na lu baax ndax ginnaaw ba muy daje ak Manchester City ñoom Guns yi dañoo gagné 3-1 lii nag mooy guléet ci histoire football Ligue des champions ñaari club français qualifié ndo ci demi-finale yi Strasbourg ak Metz dañ doon football ab derby ci samedi gi ci am match amical ginnaaw première période boo xam ne maîtriser nañu ko ñoom grenat yu Metz yi ñoo daan Racing bu Strasbourg 3 de ci première mi bi sax daanaka lañu dugal ci seen ñetti but yooyee bokk na bii di Ibrahima Niane dugal ab doublé ci 31e ak 35e minute bi ñettelu butu Metz bi Boulaya moko ko dugal ci 40e minute bi ex sociétaire bu génération foot bi di Ibrahima Niane jamono ji ma ngay wone bopam bu baax ci waxtu yi nga xamné Natangom ba fa nek di Habib Diallo ña ngay wax né ma nga fay Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce Mercato sur 13 TV. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.